Je pense que l'enregistrement s'est très très très bien passé. C'est le début de la campagne. Le souhait le plus ardent, en tout cas mon souhait, c'est qu'on fasse des élections dans la paix, dans la transparence et que les programmes puissent rivaliser et permettre aux Sénégalais de choisir celui Nous vous êtes en train de, construire tout cela, présage un peu de ce qui est en train d'être fait euh, au Sénégal, que nous allons poursuivre, que nous allons consolider pour l'intérêt du Sénégal et dans la paix, dans la sérénité. Je pense que c'est l'aspect le plus important. qui boo ko seetee boo mu teral la tout le personnel RTS di ci jiital directeur général. ñun nag ñu ngi jëm ci élection li ñuy ñaan yàlla mooy ñu def élection ci jàmm ak salaam nañ ko doon defee démb ak barki démb Sénégal réewu jàmm la Sénégal réewu teranga la ñu fexe bu ñu bu ñu yàlla dimbale ñu jot réew ñu mën a yokk naataange gi fexe doomu Sénégal bu nekk li nga xam ni

incha allah doon na loo xam ni priorité la ci juróomi at yi ñi ngi ñëw